Euh, comme vous le constatez bien, depuis longtemps, il y a les professeurs qui sont en grève. Ça fait maintenant plus de deux mois que nos professeurs sont en grève. Et vraiment, la situation s'empire de plus en plus. Et là que vous voyez comme ça, vous-même vous avez le constat. Il n'y a personne dans l'école. Et nous-mêmes, on a, on a décidé de faire une grève pour 72 heures à partir de ce lundi, demain mardi et mercredi. C'est ça. Moi, je vous dis que ce n'est pas la peine d'en parler. Parce que déjà, nous sommes tous des Sénégalais et nous regardons toujours le journal. Ça, ça sera des répétitions pour moi. Donc eux tous, ils savent bien que la situation est tellement grave en ce moment et ça s'empire de plus en plus. Donc aujourd'hui, on a pris l'initiative de déloger les, toutes les écoles, que ce soit privées ou publiques, parce que nous constatons qu'il y a nos professeurs qui font grève ici dans le public et qui continuent d'aller faire cours dans les écoles privées. Mhm. Et ça, c'est à déplorer. On ne veut pas ça si l'on décidé de faire grève, qu'ils qu'ils font la grève pour tous les établissements, que ce soit privé ou public. Maintenant, aujourd'hui, on a délogé les écoles privées. Peut-être demain, on va les laisser faire leur cours normal. Mais à partir d'après-demain, le mercredi, nous n'allons pas les laisser continuer. Ça, et nous allons continuer la grève tant que les profs sont en grève. Et nous voulons que l'État prenne ses dispositions et ses mesures. ça, ça ne nous arrange pas, franchement parlant. Comme le fait tous mes camarades élèves, bon, Juste pour le dire, Monsieur le Président, on est là, c'est une jeunesse. On est appelé à diriger le pays après. On ne sait pas qui d'entre nous sera président après. On ne sait pas qui d'entre nous sera ministre ou député, ou maire même. Mais regardez cette jeunesse, ne la sacrifiez pas. On est en danger. Nous sommes appelés à diriger le pays, ou diriger même le monde après. On ne sait pas, on ne sait jamais. Donc s'il vous plaît, venez nous en aide, parce que l'heure est grave en ce moment. Bon, nous,

élèves yi def terminal, ay élèves yi def troisième war a def euh, examen en fin d'année, année ñooñu lan la leen war a wax ñoo xam seen programme avancé wu ñoom avancé wuñu lii ban intérêt la leen amal tardement lay doon pour population bi yëpp. bon boo seetloo ba autorités yi ngay wax ñii ñom ñep seen doom yi nekkuñu si public yi ñom ñëpp ñu ngi ci privé yu mag bo sété ay cathédrale lañuy nekk affaire yoy genre yoy kon ñun tay ñun bu nekké ci public bi ñun lañuy sacrifier man je me dis que man dama damay wax nan ñe nekk ci euh, autorité yele sañ yoon nekku ci ñom parce que ñoom boo seetloo ils s'en fout ci politique lañ juggé ñaata milliards lañ sa yàq li mun ñoon dem ci une éducation wala kon manam ñun ñoo ñun ñu ñoo les cobayes quoi ñun on on s'en fout de nous ñun ñoy les cobayes ñom ñoy def lu leen neex après ñun ñoy payer les pots cassés c'est nous les grands perdants ñun ñoy perdre à chaque fois. man limay lancer ñom ñep la concerner muy président ministère IA ba ci professeur yi. Nous avons dit ngir vie. ñu sauver année parce que nous, ñu may seen ñi jëmul kër jëmul kër tamit bu professeurs yi nous état différence élèves nous changer. Nous continuer grève nous sur le terrain parce que c'est nos vies qui est en danger Nous sommes en danger Nous am nañ li ñuy am ba Nous ñun di wër instant bi ñun ñu leen nous la profil leen signé parce que nit la nit bo ñew ba respecté sa yow c'est comme si que jaay nga sa ngor amoto dara Nous ñun loolu lañuy nous nak loolu lañ bëgg mu jeex mu arrêté. instant bi niñ ko xayma ci 3 jours ñetti fan Nous tay lundi ñoo nañ déloger élèves école primaire ak privé yépp aussi suba tamit dañuy ñëwaat 8 comme prévu élèves Semba te suba dañu bëgg a def suñu convoi continuer dem ba sous préfecture bu Sangalkam dem wax ñu suñ dem wax leen suñu doléance ñi xam ñu fuñuy fété bu féké dañuy jàng ñu jàng bu fekkee jànguñu nag ku nekk outil lu muy def parce que li jëmul kër légui affaire nak 3 jours la à compter tay ci lundi bi ba mercredi inshallah nous sommes là pour parler de nos droits pour montrer à l'État que nous sommes la jeunesse de demain, nous sommes l'avenir de demain. Mm-hmm. Qu'aujourd'hui, l'éducation est très, très très banalisé. Or que l'éducation, c'est tout en fait. Donc, je prie aux États, à toutes, à tout le monde, de nous écouter et d'aider nos professeurs pour que nous puissions continuer nos études. Parce que nous, les classes d'examen, à la fin, nous aurons un examen à faire. Et sincèrement, là, avec ce que je vois, bon, ça ne va pas marcher comme ça. Avec, avec le programme qui est tellement vaste, on ne pourra pas terminer comme ça. Euh, l'objectif de, la grève, c'est pour que tous ces professeurs qui sont en grève et que les heures qu'on est en train de perdre, que tout ça, ça s'arrête pour une bonne fois pour toutes. Parce que là, nous, on est conscient que les, professeurs font beaucoup de grèves. Il y en a trop, vraiment. Et vraiment, je pense que nous, en tant qu'élèves, si les professeurs sont en grève, nous devons les défendre pour que l'État euh, puisse faire ce qu'il veut. Parce que, euh, sincèrement, l'éducation est vraiment l'éducation banalisée. Oui, oui, oui, effectivement. Parce que là, on voit que depuis, depuis des années, l'éducation n'est pas comme ça. En fait, l'éducation, elle est tellement banalisée Or que l'éducation, c'est plus important que tout, c'est la base. Donc selon moi, le président devait faire beaucoup pour l'éducation. Parce que l'éducation, c'est là où les, présidents, les, les, députés, tout sortent. Donc moi, je pense que le président doit parler avec les professeurs pour arrêter la grève. Bon, nous sommes élèves, je me dis qu'on est au bout. Nous élèves, nous sommes nous dañu nous notre président ou l'état du Sénégal est entré de jouer avec l'éducation et que Mandela amoon na lu amoon lu am solo lu il disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ñëpp xam nañ loolu ngir yàlla ñu Sénégal xoola tey aujourd'hui nous xam école privée Nous sommes ñooy aujourd'hui et que demain nous ñoo ñu jiitewaat ce sont eux qui ñooy fi encore di di daw si ginnaaw ñoom te on est au bout ñun dañu sonn gars yi nañu jàppale il est temps de changer su fekkee élève su fekkee la état am na lu mu yoro professeurs yi na leen ko jox su fekkee ay accord tamit dañ ko signé ñu rek régler accord yooyu noonu parce que ñun du ñu bàyyi tant que ay tant que professeurs yaa ñu ñu dañuy continuer bu soob yàlla tant que professeurs yi arrêté wuñu duñu arrêté di woo sama mbokk élèves yëpp nag ñu ñëw jàpp si combat bi parce que ñu ñëpp la et surtout di wax ne pe euh, suñu élève boobu ñu rayoon fële si Dakar di ko wax ne yal na ko yàlla jé ah, jégal taxaare ko àjjana si gën a kawe ñun nag loolu moo ñu gën a nag surtout élève am droit grève dem de grève ñu koy sànni ay racolets majeurs surtout une grève qui était censée être pacifique gars di sànni ay lacrymogène di sànni élèves yi loolu du yoon ba kenn moor si ndeysaan non ñun moom bañ ñëwee noonu dañu wax ne c'était une marche pacifique dañu ñëw amul yat amul sànni xeer amul dara suñ demee si suñ demee si école yi dañuy dem foofu wax ak directeur bi mu génn élèves yi mu génn élèves yi calmement ñu avancé ñun du ñu sànni xeer du ñu baara du ñu taal bu soobee yàlla loolu ñu bëgg nag mu continuer noonu.